this is how to pray. We want to be free, honor to cumprir. Dai dole, dar o confia, this is how to pray. We want to be free, honor to cumprir. Dai dole, dar o confia, this is how to pray. Put the lady down, she called

bëgg naa ci ay résultats. d'accord inspecteur mais enquête bi c'est à propos de quoi. Euh, docteur Sarr fi nga toog la toogoon léegi fi la jógee sama bureau ñëwoon indil ma ay résultats ci décès monsieur Anne. xam naa yow doo ko xam mais man xam naa ko parce que sama dëkkandoo la mais daf ma ci indi lu doy waar parce que monsieur Anne deem du naturel. ah bon. dañ ko empoisonné. empoisonnement. si. put the lady down, she called the girl. Hello. Voici les dessus que vous m'avez demandé. Maman Rassou, tu sors de mon bureau. enquête bi dama bëgg ci biir semaine bi ñu commencé ko am ci ay résultats. D'accord, inspecteur. Mais comment on compte faire Merci. Monsieur Anne, chef d'entreprise là. D'accord. Monsieur Anne, si biir këram amoon na jabar képp ku nga xamante ni doon na jëflante ak moom ci entreprise am ci biir këram suspect nga. d'accord inspecteur mais avant ok monsieur Anne ngi décédé clinique docteur Sarr. bi nekk kër Serigne Mbaye Sarr xam nga ko. léegi nag ba ci clinique bi bul bàyyi trace bul bàyyi trace yaa ngi may dégg no d'accord bii dama bëgg mu am fula am fayda ci biir semaine bi nga indi ma ay résultats. D'accord, inspecteur, Il n'y a pas de souci. Dès demain, je compte faire. Dinam nous la déjà appelé. Nous lay dimbalee nag lenn la mooy dina am la envoyé sa email ci lu jëm ci enquête merci inspecteur. de rien man nga dem. Amina qu'est-ce qu'il y ton ex-copain. moo tax nekk si état bi nii xanaa doon na ma il a osé venir ici pour photo la bordel. yaa ma croisé ak moom mais il t' a menacé nee na bés boo ma bàyyi dina la rey mu sàkkal la pexe wala dina la déglu à vie moo il est très dangereux. d' abord.

Ouais, ça va, il même, je C'est comment D'accord, a pas de souci. Non, attendez, Non, c'est pas grave, je te comprends. J'ai reviens, déjà rien. en fait, j'ai un rendez-vous très important avec Dical, ce soir. Oui, c'est m'a cousine. Euh, j'ai des idées de la fiancée oh, ce soir, je ne sais pas exactement. Je vais lui offrir euh, ben, une bague en, en or ou bien une bague en diamant. bataille, bataille. Je te dis, je suis un peu excité. Peut-être que. Non, bisous, ça ne sera pas un problème. Euh, oui Même deux. Bisous, d'amour. Même deux, je t'en Bonjour, monsieur Fah. Ça va, Diallo Ça va bien, j'espère que vous allez bien. Ça va, c'est bon. Ok, ça va bien. En fait, je viens de voir ma femme, mais ça ne voit qu'elle est trop occupée aujourd'hui. Mhm. Donc, euh, je vous remets les documents. D'accord. Okay. Ok, c'est bon. Je suis disponible. Ah, merci. Ça va. En fait, euh, Monsieur Diallo, c'est s'il te plaît, Lucas, s'il te D'accord. Diallo, sans suivre, s'il te plaît, sans suivre. Comme toujours. information ci ombre fi naka def ba ci voilà Nous léegi y qui et tu as fait vert d'accord ok mhm. comment avez-vous trouvé notre travail possible donc avant tout j'ai des montagnes de raisons à te dire merci infiniment je vois que les affaires midi avant avancer quoi donc là où je vais beaucoup insister moi, il nous faut des preuves plus concrètes quoi pour que nous mën un dossier solide mais à part ça on bien..! quoi nickel. Quand baax ça c'est léegi Vous you can follow the alors. Ouais, ouais, Pour te te En fait, je vais, garder, je vais essayer de la, de la carte du jeu. le mes pour faire le décal parce qu'elle s'en Non, il n'est pas à l'aise. Il va falloir vais jouer, je Je l'aime bien, je te le Cette fois, je vais être je vais, Tu reste sur la ma room pour la maison, de le route..! Ah, si c'est bon, si c'est bon, Inch'Allah. Je souhaite ma bonne chance, frère. Ok, merci. À demain, Inch'Allah. Dakar, l'une des à Dubaï. Woi, halo. Eh, Gus. Cuma tadi, cuma tadi.

Eh, waxtaan ceeg yow ci dal du am dara loo xamante ni mooy lu may dérange wala loo xamante ni dinaa ko ci xool di ko xaar am na loo xamante ni nag yombul pour yow yombul pour man dans l'amour de, de, ton père et l'absence de ta mère qui est en France ak coow responsabilité bu bëri bi nga xam sa papa la ko fi man nag mooy je suis un peu excité waaw je sais pas fallait que moi wax la fallait que je te le dise fallait que je te le dise c'est mon devoir le pour que je veille à ta sécurité. C'est mon devoir le pour parce que vu que sa famille de suis ne c'est a devoir devoir assurer sa sécurité dans le contexte. Voilà, je tenais à te dire que à te faire part de mes ressentis, je te je t'aime.

voilà def ci yow loo xamante ni kenn du ko gis di ko di ko di ko ñee wala kenn du la gis tamit ba ëllëg di la di yërëm sa papa def na ci yow ay ay valeur te du tey may ko xam ne dama def ci yow loo xamante ma sa loxo que tu me tends la main nga jàppale la yokkal la loo xamante ne kuur mu la ko yokkal ça va pas être facile Est-ce que tu veux être ma femme Est-ce que tu veux épouser Alors c'est ça. T'es sûr Le mot épouser, je veux Femme, toi et moi, on m'arrive. Oui, je sais. <laughs>

Okay, sebelah sama je. Siapa pasal? Kau dah pernah yang mod debi? apa? nga affaire yi amul trace. non amul benn trace. non maa ngi koy topp fépp. eu gérer lépp lu mu não dafa mel ko bàyyi xel suñu ko quoi. quoi tu peux faire ta part je fais confiance. mais pour loolu da ngay mettre du temps parce que bu ñu connaissé une situation xam nga daa ko dëgg sama gis nga papa bi yàggul daal en plus sama yaay mi ngi États-Unis États-Unis mu gis yëpp ak accident am boobu ba léegi kon pour loolu da ngay may tuuti mu tane ñibbisi vraiment. li may laaj moo gën a tuuti sax bu ma laajoon ma xaar ndax géej gi dina fekk diggante bi pour ma takk eh, la soxna dama koy xaar tout ce qui important en ce moment c'est toi sax mu ngi ñëw yow kese ñamoon rek jàppale doon lu la metti ci yow bëgg rek parce que man j'avais prévu de t'offrir une bague en or mais yow damay foog ne fexoon tuuti tuuti tuuti trop si yow alors je vais faire une bague en diamant euh, Dubaï, Turquie, Autriche, Allemagne, France, je sais pas exactement. Parce que vraiment, il y a des Et je Je quand il je ne sais pas parle parlant de sur le mais même tout tout temps pour ce n'est pas un problème. la tu me fais confiance. je t'aime. ça c'est essentiel. c'est pas.

te wax ku ma dem xool.